À la place du souvenir se tenait la troisième édition du camp d'estance d'escrime organisé par le club Lion Fencing Academy. C'était sous l'initiative d'Abdoulaye Thiam, ancien international et ancien olympien sénégalais aux yeux Pékin 2008. Une satisfaction totale a été notée dans cette troisième édition, comme nous dit le président du club. Bon, tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette troisième édition comme vous le voyez, vous me demandez un peu le bilan du camp. Je pense que cette année, c'est plutôt un stage. On a fait un stage aux jeunes. la particularité de cette année, c'est que, bon, vous savez, les deux, années, les deux éditions précédentes, on travaillait d'habitude avec les, les, jeunes, les jeunes de 5 à 15 ans. Mais cette année, il y a eu une particularité, parce que comme vous le savez, les données ont changé. Et depuis 30 avril passé, donc, euh, le comité est passé d'un comité à une fédération. Ce qui fait que maintenant, on n'est plus un comité, mais maintenant, c'est une fédération. Donc, comme vous le savez, donc, euh, comme j'ai l'habitude, j'ai coutume de le dire, l'escrime est en train de, mourir à petit feu. J'avais dit l'année dernière, hein, euh, dans, je pense que c'était avec les, mes amis du stade, et ça, va, ça avait vraiment suscité beaucoup de polémiques, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on parle des problèmes qui, qui, sont en train vraiment de gangréner l'escrime. Et puis bon, voilà, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Au Sénégal, ce sport semble accusé du retard au niveau de sa popularité à cause du manque d'infrastructures et de moyens. Initiateur de cette discipline au Sénégal, Serti Djantoun nous relate les mots de l'escrime au Sénégal. L'escrime au Sénégal, euh, pour vous dire euh, réellement la vérité, j'étais le premier à, à amener l'escrime au Sénégal. J'ai été en France euh, pour faire euh, euh, beaucoup de... en fin de compte, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail là-bas. Mais moi, j'ai pris l'escrime là-bas et que j'ai amené au Sénégal. Ah, donc, je suis le premier initiateur au Sénégal. Mais je, je n'étais pas un maître d'armes. Quand je suis venu pour faire le maître d'armes, j'étais avec mes amis, on a fait la même chose, euh, le, même, travail, mais nous, étions beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment d'élèves qui, ont réussi. 18 hein. à 19, ou bien 20 même, à, être des premiers initiateurs, c'est-à-dire euh, des, maîtres d'armes. On peut noter parmi les invités la présence de l'ancien international du basket, M. Hassan Cham qui magnifie cette initiative avant d'alerter les autorités sur les manquements. C'est la troisième édition que ces garçons-là ont fait, ce camp-là. Et je dis, ils ont un club, euh, fencing, Lions Fencing. Donc là, c'est extraordinaire. Il faut vraiment, je demande quand même, que vraiment les autorités sénégalaises leur ouvrent les portes. Ils ont beaucoup de projets. Ils ont des partenaires en France, aux États-Unis, qui sont prêts à venir aider l'escrime au Sénégal. Ils sont prêts. Et maintenant, je me demande quel est le problème. Et que je crois que les dirigeants sénégalais du sport, en commençant par la fédération d'escrime, devra ouvrir les portes pour ces gamins-là, qui ont besoin vraiment de redynamiser, de rehausser le niveau d'escrime au Sénégal, pour que les gens passent un peu au, père Wahab qui nous a quittés. Et c'est ça mon problème. Mais je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content. Ces garçons qui ont plein d'honneur, plein, qui ont tout à donner au Sénégal. Le Sénégal a tout donné en matière d'escrime. Et ils ne veulent que restituer. Et pourquoi ne pas leur ouvrir les portes pour qu'ils puissent restituer ce qu'on leur avait donné Et voilà ce qui est le but vraiment de ce camp aujourd'hui. Après trois jours d'estase, les hommes de Sabre se disent très satisfaits de ce camp qui renforce leur formation. Ibrahim Kanté, capitaine du club, et Femme qui, à son tour, appelle les filles à intégrer cette discipline. Nous na trop parce que le nous la andil y a yu à découvrir depuis ba ñu commencé ba léegi ñu ngi entraîné normal stage bi neex na trop parce que man c'est la première fois may participer comme ay stage yi nii bon ñu ngi entraîné normal matériel yi mat na ñu ngi ñaan yàlla daal club bi demaat. bëriwul jigéen parce que dama leen invité ñu ñëw parce que sport la boo xamante ni méttiwul neexul.

sport bi muy nekk Sénégal yëpp jàppale ko daal parce que moom dèjà am na gém-gém bi xamoo yaakaar naa mu ngi koy pratiquer depuis États-Unis booy xool foofu ay tubaab la fay jàngal métier bi du noonu kon Sénégal fii nañ ko taxawu ci li muy ne gën ko jàppale parce que sport sport la rek xam nga comme ni ñu téye lamb ji téye ko basket bi ak football bi xam nga euh, comme que ay ndaw a koy def te ñëpp ay doomu sénégalais lañu xam nga ñu gën a jàpp ci sportu Abdoul Thiam bi.

avant de fixer ses objectifs. Je Abdoulaye Cham, je suis un Sénégalais. Je représenté le Sénégal les Jeux Olympiques en 2008. So, je vis aux États-Unis depuis 2008. Je suis de ligue. Le premier ligue, c'est affaire escrime de jungle, les jeunes qui sont là-bas. Je suis dans un club, de euh, euh, Cobra Fencing Club. Bon, juste, ça me dirait moins que essayer de venir. Euh, au niveau du pays sama dëkk Sénégal xam ne am na def man depuis 1997 ba 2008 so euh, ba en léegi di ko 2008 ba 2018 ce que le Sénégal bon dafa commencé def ay faillites. bon ma pourquoi pas essayer de venir en tant que national comme moi ñëw appeler les jeunes qui sont ici nga xamante ne ñu devenir des olympiens comme moi parce que xam un rêve. C'est ce dream je suis venu bi mooy suñu troisième édition quinze bu ñu def tey jii am nañ ay jeunes qui sont vraiment talentueux am ay nit yoo xamante ñoo ngi si comme ce bon loolu rek la woon quoi moo tax ma bëgg euh, ñii nga xamante ne ñoom ñoo yor réew mi jéem a ubbi bunt bi nga xamante ni ñii nga xam dañoo nekk fi ñoom ñooy suñu futur olympien ñoom ñooy suñu futur champion ñu mën a doon ay champion euh, mondiaux pourquoi pas être des pour pourquoi pas nga xamante ñu mën a Je euh, escrime parce que j'ai vu qu'il y a pas tellement de gens qui existe au Sénégal parce qu'en tant qu'un olympien comme moi international nation comme moi c'est mon devoir de venir Je escrime bi mu pour que ces jeunes de jeunes là ñun nga xamantene ñoo nekk fële ñu mën leen mën a jàppale boo leen ubbil buntu rek ñun duñu mën liggéey. Euh, de Bilal c'est troisième édition bon on on a on a on a am am nañ ay ay athlètes yoo xamante ne ñu ñoo newoon équipe nationale bon on a des champions yoo xamante ne dem euh, championnat national boo xamante ne euh, surtout championnat international surtout ay euh, ay championnat d'Afrique junior am nañ fi ay champions yu bëri yu sont là ñoo ngi nii soo leen gisee bon seen dream rek pour que jëm dem dem dem Jeux olympiques dimbali Sénégal parce que lépp du dara lu drapeau bi mom mo ñu ñor quoi. on a fait un très trois jours de camp d'escrime tay mo tey moo ne clôture bi bon clôture nañ ko am yu bëri yo xamanteni ne indil naa leen ko jang nañ ci ci juste trois jours té amna na jang té té j'espère que bon liguey bi dina gëna jëm kanam xam nga jël boo nga xamantene ne bu jàlla defee affaire yi jëm kanam affaire yi gën a yomb maa ngi ñaan yàlla xam na nga xam dinañu mën a dem ci championnat États-Unis mën a compétir au nom du club Lion Fencing Club compétir au niveau du drapeau national du Sénégal y a y a des jeunes qui sont vraiment talentueux des jeunes qui sont aussi sont vraiment talentueux mën nañ lu ñuy def te xam naa ne gëm nañ seen bopp te lu may ñaan mooy que autorités yi gën a mën a ubbi bunt bi pour ñu mën a dimbali ces jeunes là quoi ñu jëm kanam parce que au niveau des États-Unis, il euh, y, y, a des jeunes qui sont, qui sont, qui sont à l'équipe nationale. Même pour les sont sur mon Facebook ou bien sur Instagram, il y a des jeunes qui ont de 8 ans jusqu'à 17 ans. Nous sommes parce que nous parce qu'il y a des internationaux comme moi. Ils ont a des les jeunes là. Ces jeunes là sont vraiment talentueux, je te le dis, juste manque de moyens. Mais si nous avons tous les moyens, nous devons pourquoi pas. parce que lépp man man gëm que gëm ne lépp war na parce que doomu yàlla lu ñu may quoi lépp war na uh, thank you for those people like been supporting us for since like for three years I'm gonna say thank you so much for your support and hopefully you know we're looking for you guys to really help us for the we can have more material and uh, more finance you know uh, for we can able to, to to send these guys to come to United States able to, to represent the country Senegal. This is my dream, this is my hometown, and this is what I love, you know. And thank you so much, everybody. And thank you, Steve, Cobra Fencing Club, and all those guys be there, like Tim Morehouse, you know, and uh, NJFA, and uh, all those parents be supporting us since like for three years. Thank you so much for all your support, and hopefully we will see you soon for the for the for, for, for the for the for the fourth edition camp we're gonna do next year. Thank you so much, guys. L'escrime fait partie des premières disciplines olympiques, mais aussi des sports les plus pratiqués en Europe. Le Sénégal était considéré comme la locomotive de scrim en Afrique subsaharienne avec le Yémen qui formait les techniciens, mais depuis l'année dernière, l'école est délocalisée en Algérie et la plupart des bénéficiaires restent les Maghrébins et les Sud-Africains.